L'effet du moringa que certaines personnes appellent l'effet magique font le bonheur de Malika Abdou Amadou cette jeune fille de 19 ans qui fait la transformation de ce produit, son activité génératrice de revenus. Elle fabrique plusieurs produits avec ingéniosité et audace. À part le col, je suis dans la transformation du moringa en savon, en huile, en thé, en lepton Bientôt, Inch'Allah, je veux me lancer dans la production de la pâte dentifrice au oh, moringa. Moringa, c'est une plante vraiment qui traite beaucoup de maladies. C'est pourquoi j'ai choisi cette plante de faire mes produits à base de moringa. Aussi, j'ai l'amour d'entreprendre pour euh, faire des produits cosmétiques locaux. C'est pour aussi lutter contre les produits importés. Malika met à contribution ses connaissances en gestion commerciale acquises à l'école et sur Internet pour faire la promotion de ses produits. Elle n'utilise pas les réseaux sociaux comme WhatsApp uniquement pour causer, dit-elle, avec fierté. J'ai des clients de Niamey, Agadez, partout un peu dans le Niger. C'est à travers des publications. Sur Internet, je publie mes produits. Si la personne est intéressée, il me contacte, comme ça je lui fais un envoi. Je ne suis pas basée seulement sur WhatsApp pour me connecter et échanger avec des amis, pour mon commerce. À travers ces activités, vraiment, je gagne de bénéfices. Et aussi, je forme des jeunes. Donc, c'est déjà un acquis pour moi de lutter contre ça, aider l'État à lutter contre le chômage au Niger. La jeune fille est la suite dans les idées. En effet, à part l'emballage personnalisé qui marque ses produits, Malika ambitionne d'accroître sa production en acquérant un champ pour produire la matière première à plus grande échelle. Je veux vraiment payer un champ pour pouvoir euh, s'aimer des graines de moringa, avoir plusieurs plantes de moringa parce qu'il y a une saison, comme exemple euh, la, saison sèche, on ne peut pas avoir beaucoup de moringa frais. Je fais ça à base du moringa frais. Par mois, je peux produire 110 savons. 110 savons et vraiment ça ne me suffit pas. C'est ce que j'ai constaté parce que j'ai produit 100 savons le mois passé. Je les tous vendus avant la fin du mois. Donc maintenant, je veux augmenter la quantité de la production, partir jusqu'à 200 unités de savon. Malika fait partie de cette génération dite consciente qui se bat pour s'affranchir économiquement. Avec ses idées innovantes et simples, Malika entend pousser plus loin ses premiers pas dans l'entrepreneuriat.